xam lan mooy corruption dara lan mooy guerre nan lañ koy xeexee donc loolu moom mooy projet bi activité nag yu bëri am na ci ay formation am na ci ay euh, diagnostic des secteurs vulnérables à la corruption am na ci ay planification d' activité ay mise en œuvre d' activité am na ci ak suivi évaluation stratégie bu ñu tëral moom la ñuy wax stratégie de prévention et de lutte contre la corruption ñeent euh, juróomi ponk moo ko lal benn bi moom mooy il faut ñu accepter d' abord lan mooy corruption nangu koo xeex nous bi moom mooy ñu tabax benn stratégie bu stop moom mooy ñu xool yan secteur ñoom ñooy les secteurs vulnérables beneen bi nan planifier les activités ak les mettre en œuvre et les suivre évaluation euh, atelier bi dafa am solo parce que déjà soo see xoolee ps e, euh, plan Sénégal émergent axe 3 bi bu intitulé institution gouvernance paix et sécurité wàllum bonne gouvernance def si nekk def occuper une place centrale or atelier bi ni ngeen ko gisee day wax mbirum corruption Donc, ah, donc loolu dafa wane ne importance atelier atelier bi lu mu am si walum gouvernance donc suñu wax waxum corruption nak du simplement état bi collectivité aussi collectivité territoriale yi euh, occuper une un rôle important si walum bonne gouvernance walum aussi lutte contre la corruption et lutte contre la fraude Motax atelier bi c'est important gis nañ ne aussi collectivité yi euh, li ñu leen di wax souvent moy il faut ñu renforcer capacité élu ak ñu fay liggéey pour ñu mener améliorer seen gouvernance suñu améliorer seen gouvernance dina impacter ci ressources Si nous optimiser la gestion de nos ressources donc c'est aussi wàllu bu am solo aussi dañuy développement territorial pour le développement il faut déjà nous tenir compte certes ces ressources mais aussi nous tenir compte sur gouvernance ressources d'autant plus que souvent recettes yi jóge ci état bi di wàcc ci des donc euh, si nous maîtriser la question euh, question de gérer ressources yi euh, moytu wàllum corruption ak lu si donc dina permettre véritablement collectivités yi gën de gérer cette collecte, donc nous a un résultat yu est donc pour véritablement population donc nous suñu fini nous nii nous dul jàppale ENDA si initiative bi donc li ñu fi en tout cas jël rek pour que l'autorité yi ci vraiment accompagner ENDA ci initiative bi nii. parce que état bi moom muy liggéey ak ONG yi muy liggéey ak tamit euh, bonne volonté yoo xamante ne idée ci politique de de développement bi. donc yaakaar naa ne lii nii bu ñu ko jégalee suñu jawriñ bi euh, dina ci dina ci dina ci en tout cas euh, en tout cas indi ci réponse quoi. waaw taxawaayu rafetlu rek ndax xam nga ni bu yàggul la ñu stratégie nationale de lutte contre la corruption mooy téere boobu nga xam ni moo dajale li ñu war a liggéey lépp ci xeex guerre ci Sénégal fii ak 2024 euh, euh, ci biir téere bu boo ci delloo di nga yëg ni euh, bàyyi nañ ci xel bu baax acteurs yëpp yi nga xam ne ñoo war a liggéey ci wàllu xeex guerre que of nag kenn la ci acteurs yooyu bu ko defee ci biir axe yi ko tënk bokk na ci axe communication am na ci biir axe su bonne gouvernance mais am na ci biir axe communication ak su communication bobu dafa jëm ci population yi mais ko wax population yi wax collectivité locale yi euh, ba tax na kon buñu ñu gisee initiative yu mel euh ay organisation de la société civile diko jël duñ mën lu dul rafetlu ko té fexé xalaat ak ñom nuñu bolé li lii lépp ci résultat yi nga xamni euh, stratégie bi war na war na amal ndax comme ni ngeen ko euh of nak amna ci wàll ci wàllu coordination bi ak wàllu pilotage bi waaye acteurs yëpp ñoo ci bokk ku ci nekk fa ngay liggéey ñu xam la nga fay liggéey ci wàllu xeex ger ak fraude waaye bu ñu ko xamee ñu mën koo articuler ak liggéey bi nga xam ni moom la ñuy def ci cadre euh, pilotage stratégie boobu loolu moo tax kon initiative bi nga xam ni mooy créer ay euh, unité pilote ci euh, collectivités locale yi pour ñu mën a jàngal nit ñi lan mooy lor yi nekk ci corruption mën a ànd ak ñoom xeex ko mën a def sax diagnostic yi vulnérabilité yi lolu dafa am solo ci ñun té inshallah buñ ko capitaliser dañ ko mëna a boole lépp ci euh, liggéey bi nga xamni ni ngi ko fas yéene ànd ak ñi nga xamni ñoy euh, organisation yi ngir mëna corruption Sénégal. Euh, c'est une initiative lancée par ENDA et Covop en 2019, une initiative de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment de capitaux, financée par l'Union européenne dans sept collectivités territoriales du Sénégal donc Kayar, Nangalman, Djurbel, Dalifor, euh, Sejou, Kedougou et Djaoube Kabendo. Donc c'est un, projet qui vise à renforcer les capacités des acteurs en termes de lutte contre la corruption, de les sensibiliser sur la lutte contre la corruption, mais aussi de les capaciter sur euh, des outils de prévention et de lutte contre la corruption. il existe une stratégie de prévention de lutte euh, contre la corruption euh, qui est bâti sur cinq étapes. Mhm. La première étape, c'est accepter. La deuxième, c'est euh, bâtir une stratégie. La troisième, c'est le diagnostic des secteurs vulnérables à la corruption, la cartographie des acteurs. Mhm. Euh, le quatrième, c'est la mise en œuvre de ces activités. Et le cinquième, c'est l'évaluation. C'est un atelier qui est très important parce que ça parle justement de la corruption. et cela est important déjà dans le cadre du PSE le plan Sénégal émergent. Il y a notamment l'acte 3 euh, intitulé Institution gouvernance, paix et sécurité qui insiste sur l'importance de la bonne gouvernance, non seulement au niveau étatique, mais également au niveau des collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui, il est ressorti dans la plupart des rapports que euh, les revenus des collectivités territoriales euh, peuvent être mieux gérés. Donc ce n'est pas généralement un problème de ressources qui manque, mais la question de la gouvernance donc, des ressources existantes est une réelle problématique. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que notre ministère travaille beaucoup sur la formation donc, des élus. Il y a déjà un centre de formation dans le ministère et le ministère aussi prévoit un important projet de construction d'un centre de formation donc, des élus pour mieux les outiller dans la bonne gouvernance donc, de leurs collectivités territoriales. C'est une initiative en tout cas qui concerne euh, la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vie euh, des collectivités territoriales qui, euh, comme vous le savez, malgré l'acte 3 de la décentralisation, il y a certains problèmes qui sont notés. Et donc ce processus-là est venu apporter des solutions pour la vie des collectivités territoriales en matière de développement comme l'inscrit euh, l'acte 3, comme adresse le PSE, dans son axe 1, euh, euh, l'amélioration des conditions de vie des populations. donc je pense que c'est un apport le plus pour nous, État, mais aussi de porter le plaidoyer auprès des autorités pour que voilà, de telles initiatives soient encouragées. Beaucoup d'activités sont programmées avec les collectivités locales donc voir déjà qu'un partenaire comme euh, Enda Ecopop s'est lancé euh, dans cette initiative nous euh, réconforte et appelle de nous une meilleure collaboration avec l'ensemble des OSC pour pouvoir savoir ce que chaque OSC est en train de faire dans le cadre de son plan d'action, mais voir aussi comment mutualiser tous ces efforts-là pour l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés dans le cadre de la stratégie. Il ne s'agit pas d'une stratégie de l'OFNAC, c'est une stratégie nationale, où l'OFNAC est un acteur. C'est vrai que c'est l'acteur principal, c'est l'acteur qui coordonne, euh, c'est l'acteur qui, euh, porte, euh, mais tous les autres acteurs ont leur place dans, cette stratégie-là. Et nous pensons que c'est en mutualisant les efforts que nous pouvons atteindre les résultats que nous nous sommes fixés. 2024 n'est pas loin, nous avons 85 activités à mettre en œuvre. Dans le cadre de ces activités-là, il est sûr que l'OFNAC ne va pas tout porter. Donc euh, l'essentiel des activités vont être portées euh, par les partenaires. Et qui dit partenaires, dit les organisations de la société civile. Euh, ce que nous attendons de ENDA, mais ce que nous attendons aussi d'autres acteurs.